Il est 20h45 sur ATV Sénégal. C'est parti pour l'édition du soir. C'est tout de suite le sommaire. À la une de l'actualité, Saïr Gay euh, sort de son mutisme et apporte des précisions sur les chefs d'inculpation qui lui ont été assignés lors de son séjour carcéral. Par contre, il affirme qu'il milite vers le parti PASTEF. au des prix euh, de l'Union, le directeur général de l'agence de, de régulation des marchés affirme le retour normal euh, du prix de l'oignon une à deux semaines. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un instant, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue euh, sur ATV Sénégal. Euh, Sayer euh, Kébé apporte des précisions euh, par rapport à ce, les chefs d'inculpation qui lui ont été assignés lors de son séjour carcéral. selon le natif de Mour, il affirme que c'est l'État qui est le principal responsable de l'affaire du terrorisme et toujours dans ce sillage, il a milité son choix sur le parti Pasteur et la dissolution donc de ce parti. Il est interrogé par Abdourahman Diallo. bon, je défendais la cause palestinienne. Euh, même au lycée, bon, je fréquentais parfois un euh, forum sur la cause palestinienne. Euh, bon, mon cause, je intéressé parce que j'ai toujours dénoncé l'injustice. Bon, après, bon, c'est là mes Facebook. Après, sur la page de, de l'ambassade des États-Unis, fois euh, un commentaire. C'est par la suite de ce commentaire que j'ai été arrêté, après conduit à la division des investigations criminelles. Nous jugeons me j'attendais que nous acquittions, mais finalement, sursis, ils m'ont condamné à trois mois de prison avec sursis. L'essentiel, d'une part, à mon un peu de déception, mais l'essentiel, c'était de rentrer auprès de la, de la famille bon maintenant soo ko les quatre ans nous ñu ne ñu nga ñu condamné la trois trois ans trois mois de prison avec sursis mais ce que après retour bi ngay def auprès de la famille après da ngay terrorisme comme nous ñu ma ko defee teggal euh, des accusations pour moi c'est des accusations yoo xam ne des accusations fallacieuses ça tient pas Sénégal su mon terrorisme comme heure bi duñ toog fii taal di def ay anti interview wala ñeneen toog su ko di naan ataaya c' juste que. Après, euh, comme tubaab bi lu muy wax rek ko bëgg a sa xaj dang nga koy jiñ dafa dafa am rage c'est juste ça mais pour man dans il y a des jeunes yo xamné il y a des cadres yo xamné des militants qui sont qui sont pacifiques mais dañ leen pousser jusque si ba ci mur bi moo tax argument bu ñi am wala euh, bon je peux dire violence la mëna am pour répondre ko si si si si si si acte état bi di poser c'est que pour moi, l'État est le véritable responsable de ce qui se passe Si jamais on accusé de terrorisme pour moi, c'est l'état qui est le véritable terroriste. du du parce que depuis la prison j'ai me j'ai envisagé de tout faire. génnee me bon man le parti est passé di def ay ay mais je me suis dit que ma génnee je vais commencer am un engagement politique pour moi, à chaque fois que je a xeex c'est un défaut politique pour moi, c'est c'est c'est nul. Si politique nga mën a dugg dans les instances pour nous changer les choses bon après ma sortie amnon na lu metti pour moi, il faut faire de la politique pour changer et loolu moo tax ma ne dinaa militer si parti et Pastef laa la parti pas xam ne moo que c'est dëppoo samay principe ma militer si moi mais ça n'a rien à voir avec euh, mer ngemb wala ben animosité pour ma am avec qui que ce soit. Hospitalisé le 6 août, euh, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko euh, refuse toujours de s'alimenter. Plusieurs de ses proches euh, tentent de lui faire changer d'avis, mais ce dernier reste toujours dans sa position. Ses avocats affirment hier qu'il est atteint donc de, la maladie de l'insuffisance rénale. Ousmane Sonko est toujours hospitalisé à l'hôpital principal principale de Dakar. Nous allons suivre le récit avec Ibrahim Ndiaye. Après son hospitalisation, Ousmane Sonko continue sa grève de la faim. Son état de santé continue à se détériorer de plus en plus à cause de cette diète. Des membres de la coalition Yehu Askanui et certains de ses proches tentent de le faire changer d'avis, mais il refuse d'y renoncer. Le leader du parti Pastev considère que cette grève est un moyen de lutte contre ce qu'il qualifie d'injustice de la part de l'État. Selon son avocat français Juan Branco, lors de son point de presse d'hier après son expulsion du territoire sénégalais, son client souffre d'une insuffisance rénale. Il est à son douzième jour de grève. Il faut rappeler que le maire de Ziguinchor est en prison depuis le 31 juillet. Il est poursuivi pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits. Retour à Hambourg cette fois-ci pour parler de la politique sur l'arène. Le Sénégal porte euh, euh le Sénégal une croix à l'exposition de violence et de haine dans la scène politique, selon Ousmane Khan, le président du mouvement euh, sacré euh, Union sacrée du Sénégal, qui fustige le silence de l'État face à la recrudescence de l'immigration clandestine, surtout dans la petite côte. des jeunes meurent en pleine mer, Ousmane Khan invite les autorités à plus de vigilance, mais déplore la situation politique et, les tensions qui sont euh, observées. Nous allons écouter à ce propos Ousmane Khan, il est au micro de Bayameli. Le Sénégal a toujours été un modèle de paix, de démocratie et de cohésion sociale. Considéré comme l'un des pays les plus stables en Afrique, notre pays est connu pour ses alternances démocratiques, sa richesse culturelle et ses relations fraternelles et de solidarité avec les pays voisins. Cependant, depuis quelques années, notre pays est confronté à des crises économiques et sociopolitiques répétées, des manifestations violentes qui, qui traduisent l'angoisse de nos populations. À cela s'ajoutent les menaces sur notre sécurité face à la recrudescence du terrorisme dans notre sous-région, les coups d'État militaires, la criminalité transnationale et la prolifération des armes illégales. La situation de notre pays est préoccupante les Sénégalais sont inquiets. Notre pays est en proie à une explosion de violence et de haine, trop souvent attisée par des discours populistes qui nous divisent. Face à un avenir incertain, les jeunes du Sénégal continuent de braver les périls de la mer afin de rejoindre l'Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. Malheureusement, nos jeunes continuent de mourir tragiquement dans les eaux de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Le temps est donc venu pour nous d'agir pour sauver le Sénégal. À présent, nous allons parler de la hausse des prix euh, de l'oignon, retour à la normale estimée dans deux semaines. Le marché euh, de l'oignon marqué par une tension durant ces derniers jours, par de, donc deux semaines a indiqué le mardi euh, le directeur général de l'agence de régulation des marchés, Asuman Sana, a aussi annoncé l'arrivée des prochaines des prochaines stocks de 2400 tonnes de devra permettre un approvisionnement du marché, même si ça sera insuffisant pour la demande. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis sur ATV Sénégal. Continuez à suivre nos programmes et restez avec nous. Euh, l'édition reprend demain soir. Merci et bonne soirée.